tout cela, c'est à cause de l'honorable Sy Les femmes, par ma voix, de Luc tous derrière l'honorable député Omar Sy. J'en profite pour remercier les présidents des fédérations qui ne se fatiguent jamais. Tout le temps, elles sont à côté de la présente Marem pour la réussite du parti. Donc je vais dire merci beaucoup à honorable député Omorsi, Merci beaucoup à toutes les femmes. Nous tous nous déplorons la violence faite aux femmes. Comme on dit toujours, la femme, c'est la maman, c'est l'épouse, c'est elle qui est toujours au foyer. Donc nous ne pouvons que déplorer la violence faite aux femmes et nous demandons à nos époux de nous donner plus de considération parce qu'elles sont toutes, toutes braves. Je leur dédie cette journée et je leur dis vraiment de ne pas se décourager. Parce que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile d'être femme au foyer, éduquer ses enfants, s'occuper de son mari. Vraiment, on peut dire, on peut que les encourager. Que les encourager parce qu'elles sont toutes braves. Le, thème de cette cérémonie aujourd'hui, c'est l'autonomisation des femmes. Comme nous tous, on le sait, nous le savons que la femme doit être autonome. Nous tous, nous avons vu qu'il y a des femmes commissaires, il y a des femmes préfets, il y a des sous-préfets, il y a des maires. Donc ce thème, vraiment, nous en réjouissons aujourd'hui. ndax jigen ni lañ leen di tal daf ci bari metti tal metti tal moy jamono neexul nga yor sa jabar amo loko jox war ko nax naxal lele nga def ko luko ko parce que man yoy xamna ci lu bari yu bari yu ma ci xam yoy ci tal jigen la te tal jigen da fe wara joge njabot gi dañ leena wara ar man sax sang ni denk ma ben commission bo xamne ne daara yi la ak yi kon jigéen dañ ko war a aar te jigéen buñ ko aaree aar doomam kon sunu journée bii war nañ buñ fi jógee déwén ak jàmm fekke ko te tal jigéen ñëpp yëg ne yëg nañ ci seen bopp. le 8 mars loolu ba date boobu jotagulee jigéen dañ ko jàppee woon comme lu ñu foyee rek amul droit amul dara loo xam ne mën nañ ko ko yellool jox ko ne ko lii. maanaam sa droit la lii dañ la koy sagale jigéen daa nekk lu dul les femmes bourgeoises bourgeoises yi mooy lan mooy buur yi fi nekkoon seeni jaboot seeni jigéen ñoo nekkoon ñoo nekkoon li ñuy wax la bourgeoisie ñooñu loolu ñoo nekkoon jigéen ñi nga xam ne ñoom rek ñoo nekkoon di xawaare ñeneen ñi ñëpp ay jaam rek lañ leen jàppee woon tekki mu ñu woon dara le 8 mars 1917 jigéen ñi jóg muy Allemagne muy France muy une bataille xam ne. fépp ku jigéen dafa nekkoon ci àdduna bi dafay jóg ñuy xeex ñu ne lii dafay jeex ñun dañuy jox suñuy droit comme yéen bourgeoisie yi ma ne droit baax na wante dañu bëgg ngeen jàppale ñu yi ci xale yu jigéen ñu bind leen l'école te bu ngeen yi tamit di fa jàng parce que kat xam-xam rek moo mën a libéré nit xam-xam rek moo mën a tekki nit mu boppam mais ku amul xam-xam kenn mënu koo bàyyi muy demal boppam parce que genre bàyyi ma lay doon mais xam-xam mooy tàggale nit ak bàyyi ma donc na xale yu jigéen ñi jàng ba ñoom ci boppam ñu yebeeku mën a yebe ñeneen ñi